2021 qui a tenu la couronne jusqu'en 2024 mais pape pour vous présenter ce spectacle ce soir je suis pas seul je suis en compagnie de la sulfureuse Jessica bien bonsoir bonsoir bonsoir à tous bonsoir chers ministres bonsoir chers ambassadeurs et bonsoir aux mythes de par le monde et de par l'Afrique. Alors c'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous et de partager cette scène. Et aujourd'hui, euh, pour cette édition en tout cas de Miss Sénégal 2024, j'ai l'honneur d'être avec DJ Boops. Et... Électrique avec les charmantes Miss, les 14 Miss qui nous viennent des 14 régions du Sénégal. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer ce soir la présence de toutes ces autorités-là et je vous demande de les applaudir très fort. Je salue toutes ces autorités politiques, civiles, coutumières, qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de venir à cette belle soirée de la finale de Miss Sénégal. Nous saluons la présence de Monsieur Rassi, ici présent, ministre de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir très fort. Monsieur le ministre, nous sommes très, très, très, très, très honorés. Vraiment, votre présence nous touche. Et aux côtés de Madame le ministre, de Monsieur le ministre, nous avons Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Radigien Gaï, ici présente waaye nag ñu tekki suñu benen jigen bo xamanteni ni macha allah kooku mooy borom Padois koku moy ministre de la famille et des solidarités Maïmouna Diène s'il vous plaît vos applaudissements s'il vous plaît. Nous saluons également le secrétaire d'État monsieur Bakary Sarr encore s'il vous plaît ngeen tàcc ngi nuyu itam euh, l'ensemble des membres du corps diplomatique qui sont ici. Nous saluons les partenaires techniques, les partenaires institutionnels, et je parlais du ministère du Tourisme. Nous avons Aïssatou Seidi, qui nous a toujours accompagnés. Je moi la marraine attitrée de Miss Sénégal. Merci Aïssatou, merci Djeregev, toujours à nos côtés. Une brave dame. Oui, Bête.

Nous saluons la présence des Miss qui nous viennent des pays comme justement la Côte d'Ivoire. les Miss Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Miss Togo. Miss Guinée. Miss Burkina. Miss Gambie. Miss Italie. Miss États-Unis. Miss Maroc. Et Miss Ghana. Wandesan. L'idée de mosul am Sénégal merci toutes les missions sont ici présentes sont très honorés et très fiers de votre présence alors ce que je nag waaye nag ñu nuyu itam ah Koku, su ma ko tuddee à Koku yaakaar ne Aminata Badiane c'est la présidente du comité du comité national Miss Sénégal Amina Badian. Elle est bien là parmi nous ce soir, mesdames, messieurs. Amina Badian, présidente du comité Miss Sénégal. Merci beaucoup. Tajul Amina Badian, s'il vous plaît, qui va nous rejoindre sur le plateau. Pape, nous saluons la présence de, des ambassadeurs d'Italie, d'Inde, d'Allemagne, des États-Unis. Nous leur souhaitons la bienvenue ici ce soir lors de cette soirée Miss Sénégal 2024. Mesdames, Messieurs, voici la présidente du comité. Alors, je je vais la chercher, la mettre à mes côtés. Et je vais vous dire qui est cette dame. Euh, Amina Badian, en 2016, elle a osé. Elle a dit, je quitte l'Italie. te li may wax femme l'Italie. na

et je vous dis elle a tout laissé là-bas elle a été plusieurs fois mise en Italie elle a fait toute l'Europe elle a représenté dignement le pays le Sénégal malgré tout contre vents et tempêtes bataille

Khoudia Diagne maa ngi lay nuyu ndax ci ba ñu dooree da nga ànd ak ñun ci jury bi moo Amina laata ñu woo le comité consultatif le comité éthique député Hélène Tine mi ngi nii toog moom moo ko ak notre ami Mohamed Fawzi nous Nous cette année Nous de am changement ñun Nous avons yaay ñun sommes Nous pap dañu un ci nous avons ba un changement. Nous avons un changement. Nous avons hôtel Iris di remercier euh, le directeur de l'hôtel pendant tout ce temps nous jël en charge monsieur Daw Hélène Torfa, ak Fawzi ne di on a préféré les isoler de Dakar pour éviter les tracasseries de la ville Vous Fofa. ba tey Hélène ci parce que Fongal nga ce message vous voulez. la mais c'était important kon une Amina L'Ikdesmodi, modi, rec, jox micro procéder à l'ouverture à la déclaration d'ouverture de cette grande finale nationale de Miss Sénégal Nouvelle Vision. Bonsoir. Madame et Messieurs les ministres, les ministres d'État, les secrétaires d'État, les autorités, les ambassadeurs qui sont là, le public, le Sénégal, merci d'être là. Je déclare ouverte l'édition Mythe Sénégal 2024. Voilà, merci beaucoup Amina. Merci. Oui, a demain invité sur le plateau à ah, comité éthique. Honorable euh, député Hélène Tine mu ñëw file ngeen ko loxo bu Hélène c'est une brave femme elle a tout laissé chez elle et pendant six jours elle a été aux côtés des Miss pendant six jours waaw lu yëngutu rek mu jóg taxaw lu yëngutu mu jóg taxaw di woo di waxtaan ak ñoom et ça c'était extrêmement important parce que ñun loolu ñu bëggoon kon nag Hélène laata ma invité les membres du jury ñu rejoindre seen table dama la jox micro bi jërëjëf Pape ñu ngi sant yàlla bu baax a baax si lim ñu may tay ñu mëna a fi ci si Sénégal may njëkkee ci nuyu ministre yi fi tew yépp foog naa ne cité nga leen sànq on est honoré de les recevoir ici maa ngi si jiital euh, suñu càmmiñ yi parce que comme jigéen ñi ñun ñoo aye tey maa ngi nuyu bu baax ministre Guirassy ndax xam ne ñëw na gunge si euh, suñu ñaari sœur euh, muy ministre de la jeunesse ak ministre de la famille nga xamné suñu ay sœur lañu yépp fekk si taxaw si wétu Amina ak si comité bi ma bëgg ngeen leen bu baax di nuyu secrétaire d'État ñu lay nuyu bu baax monsieur le ministre yow téwal fi bu baax a baax gouvernement bi ak ñi fi teew yépp muy directeur yeeg euh, suñu sœur Khadija ñoo bokk caucus des femmes leaders maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu autorité yi fi teew jiital ci ambassadeur yépp ñu ngi rafetlu seen taxawaay kilifa aada yi kilifa diine yi ñoom ñépp ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñuy gan non, les miss qui sont venues et les grandes délégations qui sont venues de l'étranger. Nous vous avons rencontré à l'hôtel Iris et nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. di nuyu le public bi yëpp di kontaan ci mais surtout di nuyu suñuy doom muy miis yi ak suñuy invité ak ñi et wax nous yëpp marraine yeeg ñëpp gis nañ je suis ci parce que dafa goudi li ma bëgg wax rek dafa am innovation bu mag comité Miss Sénégal Nouvelle Vision def ko def mooy créer comité éthique pour ñu aar àq ak yelleefu yi nga compétition bi bi li xew ba ba comité bi

ma and ko ak Fawzu Dem ak yenen autorité kon nag buñu ñëwé ñëwee ba fii dañuy remercier comité bi wax leen wax ñi fi on va continuer à veiller pour que Miss Sénégal porte haut l'étendard du Sénégal que le drapeau du Sénégal puisse flotter partout dans le monde ba nga xamné taru jigéenu Sénégal dinañ ko gis bu baax Jërëngën jëf ma ngi su honorable nga xaar tuuti parce que euh, bëggoon nañu ñaan suñu ko mayee euh, madame le ministre de la jeunesse des sports et de la culture Khady Diène Gaye ngeen may ko loxo bu baax a baax a baax a baax a mu yëg si mu ci ay kàddu waaye di monsieur le directeur général du grand théâtre de Ndiaye Coumba Rose merci

wax deug yalla mom sax mom mi moo ñu jox thème bi ministre bi toog may mun ñu jox thème bi mu ne dañu bëggoon mii si waxtaan ci euh, thème bi nek ci l'autonomisation des femmes ci lañu ñu liggéey nag jërëjëf madame le ministre donc waaw madame le ministre ñu ngi lay jox kàddu gi. waaw Pape man tay du sama bëss nak bésu mii ci la nak yow it nag man damay gungé rek <laughs> maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp yaakaar naa ne cadeau yi moom du gudd ndaxte ba ma accueillir ci sama bureau Amna ay kàddu amna message malin lancé One Boss boobu noonu tey nag suñu téway bi tay ji lu ko waral moy ñu and ci ak samay natango, madame la ministre de la famille madame monsieur le ministre en charge de l'éducation Mustafa Mamba Guirassy monsieur le secrétaire d'État en charge euh, des industries euh, créatives et culturelles et toutes les autorités ici présentes les membres de nos différents cabinets respectifs et aussi surtout la jeunesse sénégalaise, la jeunesse féminine. Je vous célèbre ce soir. tey bés bi seen bés la nu ma ko waxee sànq tey ñun ñëw pour Gungé, pour célébrer la beauté féminine mm-hmm. mais la beauté au vrai sens message bi nga xamante ne moom laa ci bëgg Je rek ca la ma wax ba ñu bureau tay xalé yu jigéen ñoom lañ fi ñëwal tay ji les jeunes filles ñu xamné que Miss buñ koy wax Miss ab athlète la rek lañ ko wara jappé athlète nak ñom ñoy compétir Té athlète dafa am Ben rôle de diplomatie bu mu wara jouer athlète dafa wara a nekk vitrine athlète dafa wara jaay suñu réew dafa wara jaay suñu nation athlète dañ ko wara a xool roy li nga xamante lu rafet la ci suñu réew mi ni au-delà de tout ça l'élection Miss Sénégal n'est na lu le ñun dañ ci màgg di que fi fekk mu bokk ci ñun ci suñu patrimoine culturel Nous avons mënee non. Nous ñuy xamal vous avez un grand rôle à jouer dans la construction du développement durable ici au Sénégal thème c'est l'autonomisation des femmes Nous yëpp ngeen xamné ne ko Li ni nous leen permettre ngeen war a construire un avenir Je que vous êtes des leaders ak fu ngeen vous devrez rayonner soyez des leaders des relais au niveau de vos communautés au niveau de vos familles au niveau de vos sociétés góor baax waye waaye jigéen waxuñu waxu genre waxuñu leneen mais xale yi jigéen ñi gëm leen seen bopp xam len nek que Sénégal mu ngi ci seen loxo te luy tabax réew mi da ngeen ci am walu bu maga a mag

elles sont conscientes te le leen ci war dinañ ko def dinañu motal rôle bu baax a pour gàttal mu bañ guddal di gërëm di bonne fête à tout le monde et que la meilleure gagne et toutes mes félicitations et encouragements aussi à Amina Badiane qui est jeune femme entrepreneur comme ni nga ko waxee sànq man sax xaw ma woon yëpp ci moom pourtant sama bureau mi yëpp xaw ma ko ci Amina Badiane je vous encourage et vous félicite voilà et ne ménagez aucun effort voilà merci

dañ ko waaw te merci beaucoup nous appelons sur le plateau les membres du jury euh, Madame Ursula s'il vous plaît en place Ursula de la musique pour accompagner la sortie de ces membres du jury vous applaudissez Ursula membre du jury Wow! la sulfureuse Ulcura. Nous appelons Papey styliste. Papey Kokonak. Papey Moignawandanan Yinekifiki Sénégal. Anne Pape Papey. Le très jeune Papey. Mais nous connaissons que nous avons Waouh, waouh. Merci parce que nous avons préféré mettre des jeunes également dans le jury. Oui, Amnamak, Amnaindaou. C'est important, parce que c'est un point de vue. Nous appelons Ahmed Diouf, membre du comité. Ahmed Diouf, Ahmed c'est le secrétaire général de, de, euh, l'association des, euh, des postiers du Sénégal. Merci. Merci, Ahmed Diouf. Nous appelons Madame Chan. Très grand rôle à jouer parce qu'aujourd'hui, c'est jour de vérité. Waouh. Nous président présidente l'ISCA du ñep léegi nag su ko defee Amina Badiane ni ñu def moy dem rejoindre toog ci wetu madame ministre de la famille et des solidarités moom dana wax dé day wax ah yii day wax dé waaye dañu koy may ba ca kanam dañ koy denc ba ca kanam parce que lamuy wax oh tàccu leen ko s'il vous plaît Desan, merci beaucoup légui mbir mi ni lay demee Dame woo Boubacar Diallo avec Jessica Nignon fille le travail il va y avoir la présentation des Miss il va y avoir après trois autres tableaux dont un tableau sur la présentation un tableau sur euh, les tenues traditionnelles tableau sur les robes de soirée après je reviendrai pour faire justement le dernier tableau sur la culture générale avec les Miss merci beaucoup silola iye kamben kabo dum munya bolodi